de Studio Kalangu. bonjour. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien de 11h à midi. Votre émission phare, les Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Habiba Ahmed. À mes côtés, j'ai Rekia Arimi. Bonjour Rekia, comment tu vas Je vais bien Habiba. Et quel est le menu du jour D'abord, le flush d'information, la rubrique santé comme chaque mardi, la rubrique écho de région qui nous amène cette fois-ci à Zender. Après interviendront la rubrique portrait, les lotis préparés par l'équipe femme du studio Kalangu et notre page sport. Nous suivrons également un entretien avec Goda Garda, chef du village de la commune de Timia. Nous saurons tout sur l'histoire de son village. Les Niger sur Kalango c'est aussi la consommation 100% de la musique nigérienne. Top, c'est parti pour une heure d'information et de divertissement. Chers auditeurs, comme prévu, voici le flash d'information avec Rafika Tahir. Bonjour Rafika. Bonjour Aki. Quel est le menu et quel est le niveau de ce matin Alors, pour ce matin, dans une note de service, la Nigérienne des eaux a annoncé hier 28 octobre une réduction provisoire des frais de remise en cas de coupure pour impayés applicable à partir du 1er novembre 2024. Ces frais fixés auparavant à 3 770 francs TTC sont temporairement abaissés à 1 500 francs hors taxe pour les branchements particuliers en attendant l'adoption d'un nouveau règlement pour le service de distribution d'eau potable au Niger. Cette baisse concerne uniquement les abonnés ayant des retards de paiement. Les usagers qui règlent leurs factures dans les délais ne sont donc pas affectés par cette mesure visant ainsi à encourager la régularité dans le paiement des factures d'eau. Dans la nuit du dimanche 27 au lundi 28 octobre 2024, une attaque meurtrière a frappé la base des forces de défense et de sécurité à Barkaram, une île située à l'ouest de dans, la province du lac causant la mort de 40 soldats tchadiens. Face à cette tragédie, le président Matmat Idriss Déby Itno s'est rendu sur les lieux pour rendre hommage aux disparus et a immédiatement lancé l'opération Haskanité, mobilisant l'armée pour traquer les assaillants et rétablir la sécurité dans la région. Enfin, dans un communiqué, le commandement militaire américain pour l'Afrique a annoncé avoir achevé hier le retrait de l'armée américaine de la base aérienne 201 d'Agadez, leur dernière au Niger où le régime militaire au pouvoir depuis un an à Niamey leur a demandé en mars dernier de partir. Pour rappel, le retrait de l'armée américaine d'Agadez avait commencé en mai dernier. Et c'est tout pour le flash de ce matin. Merci, pour ce flash d'info. journée à toi. Chers auditeurs, comme annoncé plus haut, notre entretien porte sur le village de Timia, son historique avec Goda Rabda dans un instant. Nous allons l'écouter juste après notre première musique programmée sur la playlist. Rekia, tu nous proposes quoi Habiba, je vous propose le titre Weihijo de Fatima Rico. Mata Gandigi Mariko, plus connu sous le nom de Fatih Mariko, qui jouait à l'époque dans l'orchestre de l'Amical à C'est en 1986 qu'elle débute sa carrière au son de Marhaba, dont le guitariste était l'un de ses oncles, Toroba. C'est dans ce groupe qu'évolue également celui qui deviendra son mari, Brema Mamoudou. Fatih s'impose rapidement comme chanteuse principale de la formation Marhaba. Euh, en, 1988 avec le titre d'Illanei que Fatih et Marhaba obtient le premier, la première place euh, du prix dans Gourmou euh, en 90 avec le titre Oua. Marhaba obtient le troisième prix de ce même concours. Après le décès de son mari Mahmoud Brema le groupe Marhaba a eu du mal à se relancer. C'est ainsi que le groupe est disloqué. En 1995, l'orchestre a enregistré une compilation dans laquelle Fatih Mariko a chanté Weibi Gelwari Joe. Cette compilation intitulée Le message du CFPM, et avant connu, avait connu un grand succès au Massa en 95. En 96 sonne la fin du projet CFPM et l'éclatement de l'orchestre dans la dispersion des musiciens. Deux ans après, en 98, Fatih réussit le groupe Marhaba et en compagnie de quelques amis. c'était les titres de Fatima Rico. À présent, passons à l'entretien du jour. La première partie retrace l'historique de la commune de Timia, une massive montagneuse qui se trouve dans la région d'Agadez. Ce village date plus d'une centaine d'années dont les habitants étaient des Hausa auparavant. Après sont venus s'installer les Touareg Keloui. Dans le passé, les hommes voyageaient à dos des chameaux en caravane jusqu'en Bilma pour se ravitailler en sel, mille et date. Le chef du village effleure aussi un problème de de gaz à moteur qui tue les gens parce que les jardiniers n'ont aucune connaissance sur l'utilisation de ces derniers. Il reste quand même un problème que les autorités coutumières souhaitent y remédier. Écoutons Goda Gabda euh, au micro de Tarnan Foudé Ahmed. ma isin wantimia yo isin wantimia zano kani nkanda nisila qoraqala kunne unna zarni ni chimia unga sharni akale mosan adjaqsaran fiel edegwa edegwa jaqsare kale manet kala ishkana chahan gani ni miyon imiyon ishkan tizriqa wanta miyo ta تميو آه، يوا اها لا انت ويت انت نه غرغر مدي ميو انا انت نه انا كلوي دغوا يمو سدغ هان افي هان ميو وسندغ لا كسرن فيلس كلني سمو ميو وني كنتي يتمستي كيتني ميو شي انت شق الاكل وانت جميع جميع ما زلان إيه، جميع الساميه اي جميع استصدق اول وان in hausanka in ka ce a ci miya a ci miya kenan wai kanin kan miya ne ba miya wai kadirgi warge yo imiyawan wa yi kan gane ni miyawan shi ne ya shakal imiyawan cimiyawa imiyawan a to krasi ga garin wanci miya ka garin wanci miya zar kawusanya kawusan kai ma na sene da gatar hangun ta tanne ka usen yin fatta me de ko ha كاوس yo wakala yuzari ka usen ka usen de da ci jos da gatar hangun ga انت اغلى كنتميا ماما الشغله وانتك اغلى كنتميا اغلى كنتميا زي تزارة ناس ورلي انا الشغله انا الشغله نسن ونزار انا اغلى كم انا مو وزلا بالما تاكينا قلا تجيني فرقة تزل لسان ولا نكني ما أنا ومشكني تزل تدنو جزتشم يا دي يعني. أعوز لو يوم ناس بل ما تتوكل تشيسم تتوكل تكاجل تنزين تتوكل أنا اللي دغلا وين شي دغلا تزل أنا دي دي ينتني فرقة لا تزلوا لي دغتي زارتنا أنت أصلا كلن كين توشيك wanta taushiten cin naksarnin akalwan jimiya da lana tucca taushiten cin ramas kirtumaja to daga attare han wunna gugunin na ni mudlan wuna ya mudlan wun jimiya da kila agala ke inte funan tan yaqtar tan yaqsara ci zaret nasan agala kun gonda nan ala ko agala kay razrik gazan daga na agala ntini jezaran sarsan da yaqsaran tan yumudlan wuna gumadan tan daga awaqora maantana tooshitan jin maqsarneen akka banchimiya akka banchimiya awara waza gala kunna megan awara hozan num si andar masastne ta maqsur agala gzefiyel kullu chushiten hana teriwa awara wa winnesna zarand sezgaran da qalandu tefuna anan go yo qalandu handi awara wa yawwa yau gara qalandu maskala doka indes garan qalanda gara to daga alwa qanna mardanka mantana ta chulfu ta cin da ta mala na ala kucina in ta mustata ga matta bala gara dan tum khajar tun ala ku mustazar mantana chulfu ta amar da za chulfu ta migan lanat fi la gala kun nikkin gorna ta nasarna gala kun washarna wando gazinayanya ne yonad nig no sadwan no mardi illan atchum hutar chad ma wasan chum hutar nkanin dak ne de wasalan ni nizri de onadi agala kun chumara un titakkabul ma takkilici sun takka galat tagdi una gala kabredanta aqalana gala gazani furgan wazzaran يفرقوني ميغن نتامنا اشتم حوتار قوتني في الله زي يفرقوني قستنا غراوا ريسك قستنا رجع أرتوها موتارا ديوا أغلقو والناس فموسنا ورنقرا ولا ورتقرين تقيش غسرين قوتني نقا غلق قوتني عند غيبان موسنا ويقازا ويتسلحة وحاسل ميغن اللي انا تدي تقرأ Tawakal dutum khachir da bidara kamni ba nama na waraila. Yo te. Sri Lanka da lati wa nama wurtin din. A ta cinna hutin te tira emara una. Kelas tilan na gor karadilan shinilan dama na dishika. Ala qas tilan cine ci muhuta raddu bazna ta ta samar da sur tilan. Meran gumdin kan ta na cici ta gane. Filla zaman baitan ta mi karkara ta hayama an ta anu ta qeza ga zuwa yin bugin filla. Avant de poursuivre notre entretien, marquons une pause pour écouter les ballets traditionnels L'amourou de Terra. Top ce parti. si vous venez de prendre l'émission en cours, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou, poursuivant avec notre entretien le chef du village revient sur la consommation de stupéfiants tu fais par la jeunesse de la commune, d'où son appel à l'endroit du service des médias pour qu'il continue de sensibiliser cette jeunesse sur le danger de ce produits. C'est dans la deuxième partie de l'entretien. Goda Gabda, toujours au micro de Tarnan Foudé Ahmed. ngom dagala kala qandaqti juhla tanasana kilana akharu a muter wa ajinta masnanu manne dangonda anu ikna suminti ga kullu gaz war gamasata kasan gonda ta qalani gamode wara gala kgana ko karisa agala gzawji gejen tansan digin huram un sate harum wan mutar daban an wan naman daban لكن مرة أرتوات إن السجر دي ده دغار تواس إن فرق ميدا هو دي أشياء تكنيك يوم ورتنات نسنك إندا دبارتنا نون نتجدا دغاس مرة تجاخر ومعنقا مترا هم مسنان سندا أنت جنس تنتمي استقلال تنقل ترتيب تدا كاشا شاغت ورحدم هم وصلنا كحدام عندك لازني ورحدم شاغت قوتنا مرينا شاغ تقري مرد الشغل غلق شاغة متشكني نقول النيت نسن تقل ورقة هنا شغل النيت سرورق نقول ميد يفرق هنا دا البساطة من تجين دي غلق حد من البساطة وين تو تو آه، خدم من البساطة ورت قاما ورت لي ورق انت دورجي أجنتا ست تخدم تقرو دورا كاي كاي انت دتي واري هانشي قان يلان الشين يلان كرادي لان أوي دوا إسرائيل مقر وراس فا قدرني تروارا ورجوسا تما خاشر يدا وعد زغلانو يان طارق دا هان شي دا شي قدن اكتيف وتدقروهم ورقروهم ولا تما خاشر تلي تلي ما يقنتين تجين كوكرن تلدا فيلا طاقلن السرن إيه، جنتا من جبرا رنانكا واللي نتطفرس نبدأ نعم على قول ina da da ga tam khache tan ken ta tille na da gum lati bararen la ko lul yan ken da class tan sen ken man ka ne da troisième man ka fil azala fala kan kan kan ro fi liban ne da go da gorna wala da chan ta dumaran stagare nasna da ga da ba da chimeski problem ke wai tira an gonde ya kor chimera da jinya kras na didila nikini mara problem wani la da chimya me da haddini ketni in kenda تقرأكو أقلا كغورا واران تنتا وينا دغرينت سوغلان تنت النية تنتا وما نسنت أستس نقرأ لو قن قانت النية يا سدلو قادا نزلو دي نكني دغه أرت ونن سلام أستس ودا أزلو دا تغري دا تغري أستس أمان أغلى كنكني أرواد نكني أسر نلقن سرازلا فيدا تمخاشر دز نلقن سيندا نحن ما يجان المستعار زلة تو الخاجي لتر تسترامات تشيدي كني كيسيون أنتنا لستنا أغرد نتشي أنتنا ديرك تكورت نولي تجمير تغير تسام دراتا أتتجمي موزرا أنتنا غلا كلون سنة رانا لاسين أدارن كوكرينا سندغش خلوات تجمير nkini de tagarana na marda taze na gitaze da wani daga gala ku radio wiza da nken da isassa gira nguna da sa tamcek tamcek kai ta gizan tara yan cha da mosna warda san makana me da tizidiya kana ta gizan shaye shaye yan artan wa na gammi duwa na guna gala ku radio guni manna wa ngata ta fumi selan san artwa tamcek a tota khunasteye فيلا ساغشد إن تتوين تتوينا ويدنا هندي تغشد تمشك مان تغشد تتوين نتاوي ترين يباس تموس استجزير جين أتقل ورتموس نقوم دا ويدن بل التنفيع التنفيع غف نقد نن تزور الدغا ديدا نقام ميد كل ويدن كل دغا موزر نغور وان كنا زرنا كيتني تايلا تا تكوري تزور تا تمفيل شاي شاي وا يشوى يا غلق دغه san kini de marda arwade ha gur jenest ni de med nag su da da na ja sa ja sa sarci do denda nag su tin kida uni selle wurtuna ne kana gas nag su tin sellenki nag sur fel manana nakini mera ta kurai cinde da nakumena Voilà, chers auditeurs, c'était un entretien réalisé par Tarnam Foudé Ahmed lors d'une de ses missions à Timia avec Goda Rabda, chef du, village. Nous retenons que Timia vient du mot Imiyawan qui veut dire branche d'un arbre sahélien. Et pour rappel, chers auditeurs, Timia, c'est la zone productrice des agrimes tels que les oranges et autres. Et ils seront bientôt acheminés à Niamey, c'est la période décembre-janvier. On prend une pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, il est 11h passé de 23 minutes à, et c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire santé de l'émission Le Niger sur Kalangu qui parle de l'incivisme. Et oui, Rekia, à l'hôpital du district sanitaire de Ngigmi dans la région de Dufa, l'on constate ces derniers jours une situation qui inquiète la population, que le fait de faire son urine dans des bidons de et le jeter un peu partout dans l'hôpital. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour la santé de la population. Un mauvais comportement des malades ou de leurs accompagnants qui vient du village explique Lawangrema, inspecteur sanitaire à l'hôpital de Ingegmi. Et le au micro de Abdullah Mena. Écoutons. ana ganin waɗansu matsaloli da suka shahi rishin tsafta a nan babbar asibitin garin gigime shin a matsayinku na mai kula da wannan fanni wani ƙarin haske za ku yi mana likitan gigimi ba ca akwai rashin tsafta duk wanda ya shigo nan likitan gigimi ya san da akwai tsafta me a akwai wasu kurakurai wanda ya kamata a gyara kurakuran nan zamu iya gyara su ne da mutanen da suke shigowa suna huta da mara lafiyan da ake sa suna huta yanzu an kama wani sai gani a kamfanya kamar masu jinya da ake cewa sai gani mutum ya zo da mutum hudu biyar wani har goma ba yanzu mine ne akwai runhuwa da suke zama ana zama sun rumfa mai na rumfa da ake zama mine ne yanzu duka mu abin da ke da ke damu kamar yanzu for example sai gani mutum sun zo sun sha abinci ko sun sha ruwa saman kasar ruwa ko wani abu mana sai gani sauran abinci a zubda kasa wani leda na fiya wata a yadda can a lokaci kuma ga pobel muna da pobel kin sa wani shara na leda na wane ne kuma akwai nan da ake sa abu na musamman abinci yanzu kuma ka sa akwai abinci an ka sa an yi yawa akwai wanda suna suna duka suna tira can suna shanya shi kuma pubalkin nan ya cika kowane lokaci lokaci ana ta ana da shi matsalan guda ma da sahi akwai hygienist wanda ke yake yin kur da sahi in yazo yana zai aiki akwai wanda sun kwana wuri to yanzu sun gani shi zai fara aiki bai kamata ya ce su nannade kan su nannade kan su su koma gihe in da sharan shi sai su tashi shin huda me duk da haka sai gani mutane busu gusa an yazo yana so ya musu magana a yadda Allah an ga mutane dan ta janye kan ku zan tattare ludodi kusan shashare wurare likita sai da tsafta likita in babu tsafta sai an problem yanzu akwai abin da ake cewa infection nosocomial tana yiwa kai ka zo jinya kai kana lahiyan kalau ka zo jinya sai gani ka huta ka zo likita ka kwana hudu kai biyar kana nan zamne a back mobile comfortable sai ka ta gida kwana ɗaya kwana biyu sai ka gari shi lafiya yanzu mine ne mutu muke mutane su gane aka tunta musu abu su gane aka ce ayi haka ayi aka ce karai haka karai ko ka gani yanzu wani yana yin abin da ba haka ba kana da dama ka ce mishi wani ba haka bane ko wani wannan abu karka yadda can wurin kasa can wurin kai haka wani babban batu da yake daukan hankali a kwanakin nan shine misali zaka ga wanda suka rako mara lahiya ko kuma daga bangaren mara lahiyan yawanci aka yi hutsari a cikin bido ko na lakasira ko na fanta shi kuma wani karin haske zaka yi bisa kan wannan matsala to shi wannan gaskiya sai an mobe comfortable abu ne wanda bai kamata ba a ce ana yi yanzu ana garin musulmi kasar musulmi bai kamata ba a ce ana irin wannan abubuwan yanzu ya zai ga dushi na muna dushi kala dushi ko ina akwai dushi akwai bangari ga sunan ko ina kowane service ka ta bayan service kin akwai kuma akwai masu kula da su wani abun gake da sahi da mace so biyu suke suna kula da su yanzu mine ne wani bi akwai wanda kasan mutane suna zuwa daga daji wani sai zo daga daji shi bai saba shiga bayan gari ba sai ga ya wani abu ko ciki wani abu sai ga ya da wani wuri ko yanzu in yayi zai yadda aka ce mishi a'a wani abu karka yadda ga inda ake sa ba su yanzu bayan gari illoli gidi shi yawa to sai ka tai kai ka wani wuri kuma ka kuɗa suna yawo sai gani kuɗa ya fi ya zamna cikin bayan garin ne ya ɗuku sai kuna nan kuna cin abinci ko kuna wani abu ko yaro suna wasa suna nan suna cin abinci sai gani in yanzu ya zauna saman abincin nan wanda ya ci in wancan wanda yayi bayan garin in bir lafiya sai gani yaro na ya dashi lafiya shi yanzu misali a kaddara wannan hutsari na bido da za a yi a yadda din idan misali aka yi katari almajirai ko yara suka ɗauka sun aza kamar ju ne idan har ya kai ga baki ya wuce ga ciki kaman wani irin matsala hakan zai iya haifar ma waɗannan yara ne. to shi wanga ya cewa matsala kaza zai kawo fasku abu ne sai ya zo za a gani kuma mun nan da ba mu su a ce abin ya faru muna neman kariya kuma muna neman agaji daga mutane wanda suke zuwa likita. wani kira yanzu gare ku ga waɗanda suke zuwa likita din musamman ma waɗanda suke wannan hali. to yanzu abin da muke so ya kamata a ce mutane su gane likita gidan kowa da ne kenan bai wani abin da bai kamata ba kai ma ka sani abin da baka yi a ka can nan ma ka zo karka tunda likitan gidan kai ba ka kama ba ka duk abin da bai da kyau kamata ya mutane su kiyaye Voilà, c'est le reportage réalisé par Abdullah Meina. Chers auditeurs, partons encore en musique avec le titre Mouchel Lokol, chanté par Hadiza Abdullah Tawai. Abdullah Itawe, l'artiste chanteuse nigérienne, est communément connue sous le nom de Hadiza Mangou, surnommée Mangou par sa maman depuis l'enfance. C'est en 1997 que Hadiza commence sa carrière musicale en tant que choriste dans le groupe Tendis chanteurs chanteur Salam. Elle y resta jusqu'à la sortie de ses deux premiers singles respectivement, Sherina et Bayani qui des grands succès. C'est à partir de ces singles que l'artiste décide de voler de ses propres ailes en quittant la bande pour sortir son premier album en 2006 dénommé Mama dont le vernissage a eu lieu à Difa. Ses premier album dans lequel l'artiste rend hommage aux mères du monde, en particulier celle qu'il a mise au monde, et également un grand succès. D'ailleurs, elle nous confie que c'est que c'est dans le même album que se trouve sa chanson fétiche que nous écoutons, Mouchol Lacol, autrement dit enseignant. Puis un deuxième album qui, rend, euh, qui rend hommage aux enfants comme euh, titre Yara Yara où les enfants déterminés à faire euh, de des voix seuls du changement, elle aborde des questions comme l'amour, le civisme et la cohésion sociale et la paix. Son troisième album dénommé Enkasa où le peuple confirme cet engagement. ces albums sont tous composés de huit titres et huit clips comme Hum, tout jeune artiste du Niger, Adiza Mongou, a fait face aux défis socioculturels et financiers que lui, que lui impose son statut d'artiste. D'ailleurs, Hadiza n'a jamais pu enregistrer son quatrième album à raison de ses défis financiers. Les trois autres albums ont été possibles grâce à son producteur Maître Ba. On dédie cette chanson Habiba à tous les enseignants et enseignantes pour leur souhaiter une bonne rentrée scolaire. Effectivement, bonne rentrée à tous les enseignants du monde. chers auditeurs, c'était là le titres Mouchal l'école de Hadiza Mangou. Chers auditeurs, entamons la rubrique Eco des régions qui nous transporte à Zender où nous allons parler d'une association de jeunes qui œuvre dans la lutte contre la consommation des chez les jeunes. Effectivement, Habiba, cette structure de jeunes dénommée AJDZ, Association de jeunes pour le développement de Zender, s'active à amener sa pierre à l'édifice pour éradiquer le phénomène de la consommation des drogues par le jeune à Zender. C'est à travers euh, des forums et des séances de sensibilisation en milieu jeune. Monsieur Amadou Roufaï Chofa, président de la dite association, explique leurs motifs au micro des Araboukar. Ce qui a d'abord attiré notre attention en premier, c'était de voir beaucoup de jeunes dans la consommation de la drogue. Et quand vous faites une petite visite en prison, vous allez trouver presque la grande majorité des gens qui sont détenus pour la consommation ou la vente de la drogue, c'est des jeunes. Et tous ceux qui souffrent de maladies mentales à l'hôpital dues à la consommation de la drogue, c'est aussi des jeunes. Tous ceux qui sont en train d'errer dans certains quartiers de la ville de Zender où on pense que c'est un quartier de délinquants, c'est aussi des jeunes. Et ça a attiré notre attention, premièrement en tant que parents. Nous avons dit qu'il faut tout faire pour éradiquer ces fléaux. Et pour le faire, nous avons dit que nous avons besoin du concours de tout le monde, à commencer par les médias, parce qu'il faut que ça parte loin. Deuxièmement, les autorités administratives, politiques et coutumières. Vous avez vu, ils nous ont accompagnés. Le soutien des jeunes eux-mêmes, vous avez vu, les jeunes ont accepté, eh, parce qu'ils euh, ils ont même témoigné devant vos micros, là où ils ont dit, ils ont arrêté de consommer. Et aujourd'hui, nous avons à notre actif une cinquantaine de jeunes qui étaient des anciens consommateurs de drogue, y compris des femmes, qui aujourd'hui ont arrêté cette consommation de la drogue. Et nous nous sommes débrouillés de nous-mêmes pour leur trouver quelques occupations. Qu'est-ce que vous faites concrètement euh, sur les terrains pour conscientiser la jeunesse Et aujourd'hui, nous sommes en train de chercher des partenaires avec lesquels nous allons organiser des séances de sensibilisation dans l'ensemble de la région de Zender pour nous permettre de faire comprendre à la jeunesse le risque qu'ils courent quand ils consomment ou ils vendent la drogue. Et vous avez vu les séances de sensibilisation que nous avons eu à faire. Nous en avons fait vraiment une centaine dans les établissements scolaires, dans les quartiers, dans des salles de réunion. Et nous avons regroupé tous les leaders d'opinion du ZNR qui ont intervenu et qui ont parlé avec les représentants des jeunes. Et au passage, je tiens à vous dire que euh, nous sommes à l'origine de la disparition des palais dans la région des ZNR vous savez, les palais là où on fait les bagarres avec des armes blanches et qui, des, fois, aboutissent euh, à la mort de nos enfants. Vous avez vu maintenant ce phénomène est complètement éradiqué au niveau de Zender. Sinon, avant, euh, c'était monnaie courante. Chaque matin, les médias en parlent. Il y a eu bagarre, il y a eu mort de 2, 3, 4 jeunes gens. Aujourd'hui, il n'y a pas. Et nous avons aussi travaillé pour sensibiliser les jeunes par rapport au respect du bien public. Vous avez vu les, manifestations qui, euh, avant, dès qu'on sort, on commence à brûler les pneus, on commence à casser tout, même les biens euh, personnels des gens, on les, attaque. Aujourd'hui, vous avez vu, Zender est devenu un exemple au Niger, puisque euh, aujourd'hui, il n'y a pas de manifestations sauvages à Zender. Et ça, c'est un autre actif. Il y a une prise de conscience de la jeunesse. Et aujourd'hui, Zender, c'est une ville qui, nous pouvons dire, elle fait partie des villes qui sont calmes dans le Niger. Donc, nous remercions Dieu. Et je tiens au passage à te rappeler également que euh, notre euh, travail qui a consisté à faire disparaître le palais euh, a eu le soutien de certaines personnalités de la région de Zender. Vraiment, ça, je vous l'ai dit, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Jusque-là, malgré la répression, le phénomène de la consommation de la drogue chez les jeunes ne faiblit pas. Quelle suggestion feriez-vous aux décideurs Oui, moi ce que je veux euh, proposer, c'est vrai, la répression, c'est en application de la loi. Donc, dans toute chose, quand on dit que c'est une loi, il faut respecter la loi. Maintenant, moi ce que je propose, c'est de permettre d'avoir vraiment de circonstances attenuantes pour les jeunes qu'on prend avec la drogue. Sauf si la personne est récidiviste. Quelqu'un comprend pour une première fois, pour une première fois, je pense que on peut lui, permettre d'avoir des circonstances attenantes, lui faire une mise en garde pour dire que à partir de maintenant, si on vous reprend, voilà ce qui vous attend. Nous-mêmes, c'est ce qu'on fait dans le cadre des sensibilisations. Parce que les jeunes, des fois, ils ne comprennent pas ce qu'ils courent comme risque. Il faut les sensibiliser, leur faire comprendre que cela, dès qu'on vous reprend une deuxième fois, voilà, vous aurez à faire tel nombre de mois, ou d'années en prison, de ceci, de cela, expliquer à la personne. Maintenant, quant aux récidivistes, ça, il est hors de question de leur donner des circonstances atténuantes. Parce que nous sommes en train de lutter pour que ces, fléaux disparaissent. Et deuxièmement, maintenant, ce que je veux proposer également, c'est d'appuyer des structures comme les nôtres là, qui sont en train de faire des sensibilisations dans les établissements scolaires, dans les quartier, dans les fadas, partout où on sensibilise les jeunes sur la consommation de la drogue. Et nous avons l'habitude de prendre même des femmes qui font des porte à porte. Je t'informe qu'aujourd'hui, ce n'est pas les femmes qui sont dans la rue qui consomment seulement. Même les femmes mariées dans leur domicile, il y a des femmes qui rentrent dans les maisons pour leur vendre une forme de drogue dans leur sac. C'est triste alors. Comment prenez-vous en charge ces genres de cas C'est des femmes que nous, nous envoyons dans les domiciles pour faire les porte à porte pour les sensibiliser et leur faire comprendre si toi-même tu consommes de la drogue, ton enfant finira par le faire. Et vraiment, les, femmes arrivent à comprendre. Pour finir, avez-vous un appel à lancer Je pense que l'État, comme j'ai eu à le dire, et les partenaires qui sont là doivent appuyer ces genre de structure pour que nous puissions mener ce travail matin, midi et soir, je veux dire en permanence. C'est la seule structure que nous avons au niveau de la région de Zender. Reportage signé Zara Boukar. Un coucou à toute la population de Zender qui nous suit sur cette émission Lénéjar sur Kalangou. On prend une courte pause. Le studio Kalangou, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Voilà, chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'heure du sport et notre chroniqueur e sportif, Sariu Adamou, est avec nous dans ce studio. Dans ce studio. Bonjour. Bonjour, Kia. Bonjour, Abiba. Bonjour, Adam. Alors, avec quoi nous allons débuter cette page sport eh bien, Abiba, l'actualité l'oblige. Nous allons parler du Ballon d'Or France Football 2024 qui a été décerné à l'Espagnol Rodri, milieu de terrain de Manchester City alors que depuis plusieurs mois, tous les pronostics déclaraient le joueur du Real de Madrid comme potentiel vainqueur de ce trophée. Et à la grande surprise, le Ballon d'Or France Football est remporté par Rodri, qui, on rappelle, a remporté la Première Ligue avec Manchester City, la Coupe du Monde des clubs ou encore l'Euro avec l'Espagne. Cette décision n'a d'ailleurs pas été du goût des dirigeants du Real de Madrid qui ont finalement décidé de boycotter la cérémonie. Alors Adam, quelle sera la suite pour le Real Madrid qui, qui on sait, n'a jamais été d'avis eh bien, à l'heure actuelle, on ne connaît pas les décisions qui seront prises du côté de la Maison-Blanche, mais c'est que sûr, il faut surveiller la presse espagnole dans les prochaines heures à venir. Merci Adam pour ce point sur le ballon d'or. Parlons après. Parlons à présent du tournoi Ifoabé qui se joue de l'autre côté de la capitale togolaise. Eh bien, initialement prévu aujourd'hui, la troisième place se jouera demain à 15h entre le Niger et la Côte d'Ivoire et la grande finale entre le Nigeria et le Ghana à 19h. Chers auditeurs, c'est l'essentiel du sport de ce deuxième numéro de la semaine. À demain pour un autre numéro. Merci Adam, à demain. Alors Rekia, qui allons-nous découvrir dans la rubrique portrait la rubrique portrait de ce mardi nous amène à la découverte d'une jeune humoriste comédienne du nom de Mariama Abdou, plus connue sur le nom de La Rose, plus précisément dans ce reportage réalisé par Mariam Adé. Âgée de 28 ans avec une taille moyenne et un teint noir, Mariam Abdou, plus connue sous le nom de Rose, est une jeune artiste comédienne et humoriste. Elle a commencé la comédie dès son jeune âge. Elle nous raconte ses débuts et ce qui l'a poussée à se lancer dans ce métier. D'abord, ce qui m'a poussée à être actrice comédienne là, ça vient du cœur. Je suis passionnée, déterminée et à la vocation. Et j'aimerais être star. C'est mon rêve le plus cher. Au niveau de ma famille, il n'y a personne. Je suis la seule. Hmm, je peux dire que c'est à la télévision, lors des événements. Alors je me suis dit aussi que pourquoi ne pas essayer. Il faut juste euh, mettre la tête et on verra ce que ça va donner. Malgré son amour pour une partie du septième art qu'est la comédie, la jeune femme rencontre des difficultés dans sa carrière en raison du manque de moyens. Au Niger, cet art ne nourrit pas encore son homme et développe des préjugés. Les difficultés que je rencontre dans ce métier, elles sont énormes. Primo, c'est le manque de moyens. Ça ne me permet pas de venir à temps et au milieu dont on m'invite. Et secondo, ça c'est un cri de cœur. Respecter les femmes. Dans ce milieu-là, je te jure, c'est pas facile. Quand tu es femme et que tu es dans le milieu artistique, tu vois, si tu n'es pas courageuse ou ta famille ne comprenait pas, c'est autre chose. Abdou Gimba, père de Mariama, dit être fier de sa fille. Il témoigne du courage et de son talent. Je l'encourage parce que je l'ai vu sur scène et je l'ai aussi écouté à travers d'autres témoignages, c'est-à-dire ceux qui ont eu à assister à leur activité avec leur père, c'est-à-dire ceux qui sont du même domaine, qui, se, qui se reproduisent sur les scènes, etc. etc. La jeune comédienne demande aux jeunes de se battre pour réaliser leurs rêves, car ils sont l'avenir de demain. Pour elle, les rêves sont les débuts d'un avenir souhaité. Portrait réalisé par Maria Maïdé, rendu au studio par Nafis Surfo. Dernier tour en musique avec les titres Maman et Secoy Local. Et eh, chers auditeurs, on dédie cette chanson à tous les écoliers du Niger, euh, n'est-ce pas Habiba Eh oui, Rekia. <laughs> Après cette pause musicale, chers auditeurs, c'est la chronique Loti qui succède dans les programmes. c'est une chanson composée en 1983 par Oumor Hadari, alors du recteur du CEG Kata de Niamey. Au piano, nous avons aussi eh, Mamansani. au loti du jour. Et dans le loti d'aujourd'hui, l'équipe femme du studio Kalangu aborde la question des dépenses obstantatoires que les jeunes mariés font supporter à leur futur époux dans le cadre de la cérémonie du mariage qui doit sceller leur union. Des sommes exorbitantes, souvent pour de futilités, suivant les sages conseils des femmes de Kalangu sur les sujets. Affairage, affairage, affairage, affairage. le bol. Wallah, je n'en peux plus. Où vais-je trouver toute cette somme Vraiment, c'est. À chaque fois, vous ne faites que me demander de l'argent. Le jeune marié. Mon cousin, qu'est-ce qui ne va pas On t'entend depuis la porte. Hum vraiment cousine. Elle me fatigue beaucoup. Hier seulement, elles m'ont demandé 250 000 pour la cérémonie traditionnelle qui aura lieu la semaine sur prochaine. Donc hier, tu avais donné 250 000 à la jeune mariée. Toi, hmm, à moi, je pense que c'est toi. Hein? Oui, c'est avec ça, elles vont faire la décoration, la sonorisation, l'invitation des artistes percussionnistes, la tenue traditionnelle de la jeune mariée et des filles d'honneur aussi. Ah, d'accord. Toi, maintenant, c'est quoi le problème? Hmm, hmm, cousine. Le problème est que la jeune mariée vient tout juste de m'appeler pour me demander d'apporter 500 000 francs encore pour les deux autres cérémonies traditionnelles restantes. 500 000 Elle croit que tu ramasses l'argent ou quoi Vraiment, c'est trop. Attends, donc si je comprends, elles veulent faire trois cérémonies traditionnelles pour un seul mariage Justement, Wayna. Ah, attends, attends. Pourquoi faire autant de dépenses Mais pourquoi faire autant de dépenses ils auraient dû programmer les trois cérémonies traditionnelles ensemble. Ce n'est pas mieux. Exactement. C'est ce que j'essaie d'expliquer à ma future femme. Mais elle refuse catégoriquement de comprendre. Anifa a refusé. cousine, elle refuse. Attends, sors ton téléphone et appelle-la. Je lui parlerai personnellement. Oui, c'est quoi ces manières Faire trois cérémonies traditionnelles pour un seul mariage. Elle croit qu'on ramasse l'argent ou quoi Allô Oui, chérie, comment tu vas <laughs> eh, Justement, je t'appelle concernant les trois cérémonies traditionnelles. S'il te plaît, chérie, on en a déjà parlé. Ça sera trois cérémonies traditionnelles successives. On ne peut pas les faire ensemble. On fera la cérémonie traditionnelle de l'ethnie de mon papa, celle de ma mère et celui de votre ethnie, comme je vais bientôt intégrer votre famille. On s'est déjà mis d'accord sur ça bien avant que tu n'amènes ta dot, ou bien Oui, mais je ne savais pas que euh, ça demandait autant de dépenses, chérie. 750 000 pour les cérémonies traditionnelles seulement. Hé, hey, chérie, Bani, Bakaraïse, voilà nous non? Hé, eh, tu sais qu'on ne peut pas changer le programme en moins de deux semaines de la fête. J'ai déjà informé les gens. Que vont penser mes amis Il ne faut pas me mettre la honte, s'il te plaît. Diam, je ne vais jamais te hey, Passe-moi le téléphone. Belle sœur, nous te comprenons. Mais elle vient de réaliser que tout ça engendre énormément de dépenses. Avec les 250 000 qu'il avait donnés, vous pouvez faire les trois cérémonies traditionnelles ensemble. Et aussi, les invités peuvent par exemple porter chacun sa tenue traditionnelle. Mais les gens ne vont pas aimer. parce que toutes mes amies qui se sont mariées ont fait leur cérémonie traditionnelle séparément. Pourquoi c'est à moi de les combiner Si c'est le cas, je vais tout annuler même. Ah non, non, non, non, belle soeur, faut pas tout annuler. Nous devons juste essayer de nous mettre d'accord. Faire des cérémonies traditionnelles est une bonne idée parce que ça nous permet de découvrir nos traditions. C'est juste que s'il dépense le paix qu'il a dans votre mariage, qu'est-ce que vous allez manger après le mariage, hein Tu voudrais également vivre dans des bonnes conditions après le mariage ou bien Oui, belle soeur. Et n'oublie pas aussi la cérémonie du cocktail, qui demande d'ailleurs beaucoup d'argent vu le nombre d'invités, sans compter l'argent de la dot qu'il a amené, l'argent de la tresse, du henné, des maquillages, etc. Ne regarde pas ce que vont penser les gens. De toute façon, ils vont sûrement critiquer. Donc, il faut planifier les choses en fonction des moyens de ton mari. S'il avait les moyens, il n'y a aucun souci. Vous pourriez même faire les cérémonies traditionnelles de toutes les études du Niger. Tu as vraiment raison, belle-sœur. Maintenant, comment on va faire j'ai déjà informé tout le monde et la cérémonie c'est dans deux semaines. Ah, ne t'en fais pas Mabel. belle. Vous pourriez juste faire une des annonces en annonçant que toutes les cérémonies traditionnelles seront combinées. Il y aura des artistes qui vont bien animer, il y aura des belles décorations et les invités seront libres de porter leur tenue traditionnelle. Et tu verras ma belle comment la cérémonie sera grandiose. Cela permettra aussi à chacun de promouvoir son ethnie. Voilà, c'est ce que je lui disais depuis. Vraiment, c'est une bonne idée ça nous empêche aussi de faire beaucoup de dépenses avec les trois tenues traditionnelles, surtout nous les filles d'honneur. D'accord, merci beaucoup pour vos conseils. Et désolé aussi chérie d'avoir contesté ta décision. Ah non chérie, tu n'as pas à t'en faire. Tout est bien qui finit bien. <laughs> voilà. Merci également à ta cousine d'avoir vraiment intervenu. Sinon, elle n'aurait jamais dû, pu accepter. Hein. Ah, pas de quoi, frangin, c'est la moindre des choses. Et aussi merci à toi également, belle soeur pour la compréhension. Tout. Puisque les trois cérémonies traditionnelles seront organisées ensemble, cousin, il faut leur augmenter un peu d'argent pour que la cérémonie soit inoubliable. Ou bien belle-sœur. <laughs> en tout cas, ton idée n'est pas mal. Hein. Aha, ah, ah ah vous recommencez. C'est les Allemands qui disent oui, bon, d'abord, c'est Bon, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais augmenter. Ok chérie, je te laisse à tes occupations. Prends soin de toi, je t'aime, bisou. D'accord chérie, fais pareil de ton côté. A plus. Belle soeur, bye. Bye bye. Grand merci Odexa Femme de la rédaction pour ses multiples conseils. Asmana China vient de nous rejoindre au studio. Il est en charge de la culture linguistique. Bonjour Soumana. Bonjour euh, Rekia, bonjour Habiba. C'est Asumana, c'est pas Soumana. Asumana, je dis Asumana. Voilà, <laughs> bonjour aussi à tous les auditeurs donc, euh, et merci. Bienvenue dans l'émission culture linguistique. Voilà. voilà. moi, je, moi, je comprends Hausa. Hein. To, yau mika kawo muna. To, marala jama'a masu sararin barkama da sake kasancewa cikin wannan sashen kawo muku bayanai kan ma'anar kalmomi na shirin Nijar Kalangu. Eh, ba san ko kun san kowace ranar 30 ga watan Oktobar ana gudanar da shagulan ranar rayuwa ta duniya, rayuwa dai wadda kun ka sani. Ita dai rayuwa kasancewar halittu da Allah ya hura ma rayuwa ne a duniya wato tsakanin aihuwa da kuma mutuwarsu. ita kuma rayuwar halitta tana iya kasancewa mai dogon lokaci ko kuma mai gajeren lokaci kamar da muke ganin misalai ga mutane wasu na samun shekaru da dama a duniya kafin su mutu wasu kuma ba haka ba ne akwai wanda ma za a yahe shi yau ya wuce da sauransu ita kuma rayuwa abu ce da ke buƙatar kulawa sosai domin akwai rashin lahiya da ke iya kawo mata cikas lokaci zuwa lokaci hakan na kai wasu ga yin jinya a asibiti inda suke shan magunguna saboda su sake samun lahiyar idan ake ce kula kuma da rayuwa kuma ya danganci mutum ya kiyaye wasu abubuwa da ke iya bata masa rayuwar kamar kin yin wasu abubuwa da ke iya jefa shi cikin matsalar rashin lahiya ko na jiki ko kuma wato na kwakwalwa mun gode asmana Chers, auditeurs, merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages. Écoutons quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Muhammadu Agari. Ni eh, president ne na kabo-kabo kuma a memta SG ne na adirita. sosai ina sauraron shirye-shiryen studio kalangu ke birge kowa a studio kalangu gaskiya bisa abin da ka birge ni cikin tayyar da ya zamanto an yi shi duka da yare na gida a yi da buzanci a yi da fillanci a yi da hausa a yi da faransa wannan abu muna jin daɗi shi fi kuma da ya zamanto ita a nan nijar da banda ortn ni ban gare gidan rediyo ba wanda yake ana kama shi ko ina cikin nijar radio hamsin da biyu kuke connected da su suna watsawa gaskiya wannan abin yana da kyawu kuma muna jin daɗin shi Fin de cette émission de ce mardi 29 octobre 2024. Rendez-vous est pris demain à la même heure et vous retrouverez notre duo pour vous tenir compagnie. L'édition a été assurée par Moussa Hassan et à la technique c'était Isaac. Vous pouvez nous réécouter sur notre site web le 3w www.studiocalango.org ou sur la page Facebook du Studio kalango Passez une excellente journée. bye. bye.